Mes premiers mots d'abord sont un, hommage, euh, un hommage en reconnaissance du courage de Abdou qui est vraiment euh, un homme tenace, hein, un homme tenace et, brave. Hein, voilà. Donc cela fait 61 jours déjà, 61 jours euh, qu'il a été arrêté et condamné. voilà, il a été aujourd'hui il a obtenu la liberté provisoire, une libération certes, une libération, mais qui est vraiment un mot, un mot qui reste chargé d'amertume quand même parce que voilà, avec, parce qu'il est carrément euh, recouvert d'angoisse, hein. une angoisse vraiment euh, quotidienne, une angoisse quotidienne hein. durant ces, 61 jours, ces deux mois exactement, vraiment. Et puis euh, voilà, c'est à chaque fois on pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Voilà. Aujourd'hui, libre, vous êtes soulagé On est soulagé, mais pas content. C'est-à-dire ben, On ne peut pas être content quand même, c'est juste une liberté provisoire. Voilà. Mhm. Mhm vous avez eu de ces nouvelles Bah oui, on a eu de ces nouvelles quand même. pas trop bien. Pas trop bien. Son, état se dégrade de jour en jour, comme on vous l'a dit ces derniers jours. Quelle sera la prochaine étape ben, Certainement euh, l'évacuation. Voilà, on s'attelle à ça en ce moment. Hors du pays. Hors du pays. Nous sommes Parce que Karim, nous, Parce que nous, nous, nous, manam Sénégal bi yëpp ñun ñëpp même suñu famille ñun fier nañ ci mom quoi ndax ko ndax sacc wala agression du du Alex du kenn dañ ko parce que ci yoonu deug la nek diko santé yalla quoi mënon nañ ko mënon am ci ci lu ci jaay drogue wala ci comme di scandale yi xew ci mais santé yalla bu baax Karim ci liñ koy téyé mu nek ci yoonu deug quoi non parce que non li togn la quoi. amul gis amul bàyyi nekkul nekkul loo xam ne dañ ko jàpp ci loo xam ne dafa garaaw wala dara tooñ la dañ ko tooñ après ñëw bàyyi ko ci nii après mu feebar ñu xam ne xamatuñ lu ñuy def ñu bàyyi ko ko mais teguñu ko fenn.